Bienvenue dans votre émission Parlons Jeunes. Parlons Jeunes de nouveau au Parc de Anne, de nouveau avec d'autres invités bien sûr pour discuter de notre thème aussi qui intéresse les jeunes. Alors, au parc d'Anne, quand on parle du parc d'Anne, on est bien sûr au niveau du lac, ce milieu inimaginable à Dakar, aménagé par le commandant Lamine Gueye, à qui nous disons bonjour ou bonsoir au passage. Parlons Jeunes aujourd'hui à convoquer des jeunes qui s'activent un peu dans une culture qu'on a très souvent appelée une culture urbaine et particulièrement à travers la danse. Hmm? c'est vrai que au début de Parlons Jeunes on avait fait une émission on avait fait une fête mais là c'était plutôt la danse euh, populaire et état moral bi nga régir euh, la danse populaire mais là on va parler bien sûr de la danse professionnelle on va parler aussi de la danse urbaine et parlant de la danse urbaine c'est vrai que Barine Kibir a beaucoup de styles, beaucoup de beaucoup de formes wala quoi hein. en tout cas il une culture ou une activité euh, le commun des Sénégalais n'est pas au courant souvent wala pratiquer à leur niveau il y a beaucoup de choses qui manquent beaucoup d'infrastructures beaucoup de formations beaucoup de qui, même vous faites ne on na affaires ya nga et pour discuter de ça on a bien sûr voulu amener quelqu'un que vous connaissez très bien elle est conseillère au niveau du ministère de la culture la présidente de l'association Kaay promotrice de beaucoup de spectacles Gassera, euh, bienvenue dans votre émission Parlons Jeunes. merci et bonsoir. ok <laughs> merci beaucoup alors l'autre L'autre, bien sûr, chers téléspectateurs, il s'appelle Abdallah. Abdallah, c'est un jeune qui vraiment, quand on m'a parlé de lui à travers ce métier-là, c'était quelqu'un de très très très prometteur. Récemment, il a été représenté le Sénégal au jeu de la francophonie en France, bien sûr avec euh, Où était le dynamisme de l'association Kaifet Gassira Abdallah Nangaref. Oui, Ok, bienvenue dans l'émission Parlons Jeunes. Merci. D'accord. Alors l'autre, il fait partie des précurseurs de ce métier dans un groupe qu'on appelait Soul Body Ground. Alors, est-ce qu'il existe jusqu'à présent Je ne sais plus. Papis, tout en rouge, Nangaref donc, euh, bienvenue dans Parlons Jeunes. Merci. Vera aussi comme l'un des précurseurs qui ne se définit pas, qui fait beaucoup de choses en même temps, en tout cas beaucoup de styles de danse hein, en même temps, mais quelqu'un qui aussi est là, toujours dans le métier et qui s'active davantage. Vera, Nangadef. Oui, merci. merci beaucoup. Alors, pour entamer cette émission-là, nous allons faire l'historique en fait de la danse urbaine. Si nous danse urbaine, moi, comme les gars de font, breakdance, affaire ou dof, ils font quoi hmm? euh, Critique, fi, def, top, fi, yengil, affaire. En fait, personne ne comprend. Les gars font avec ben style, en fait, avec euh, style d'habillement. Souvent, ils boy, ils ne boîte, ils ne Mais alors que c'est formel, alors que métier, le sport, c'est régi par des textes. Mais bon le commun Sénégalais ne le connaît pas euh, si vous nous faites en fait nous l'historique de de des danses urbaines parce que en fait est-ce qu'on va parler de danse urbaine ou des danses urbaines au Sénégal Quand le fi qui sont les premiers danseurs en fait nan le def des jeunes en fait donc effectivement c'est dans les années 88 89 90 après l'apparition donc de ce film mythique qui a fait que ça a déclenché pas mal de choses chez les jeunes. Euh, il y a eu euh, aussi, euh, à partir de ce, de ce moment-là, tout un mouvement un peu underground, parce que à cette époque-là, c'était pas très, très visible. il y avait beaucoup de jeunes qui dansaient et qui sont maintenant en fait devenus, ce sont les rappeurs de maintenant qui ont commencé la ah, danse, qui avaient dansé, qui, ont commencé à danser et qui sont ensuite se sont orientés vers la musique. Mais il y a eu quand même quelques jeunes comme justement Viera, Papis, qui faisaient partie de Soul Body euh, qui ont euh, continué dans cette voie-là et qui se sont battus pour justement jusque-là, arriver en 2014 avec leur propre euh, style. Ils ont développé pas mal de choses, ils ont fait des battles, maintenant ils s'orientent vers la chorégraphie, vers la pédagogie. Donc euh, pour faire assez court, hein, parce qu'ils en parleront mieux que moi, ils étaient là pour le vivre. Euh, c'est comme ça que ça a un peu débuté. Il y avait tout un, toute une série d'événements qui se passaient aussi de manière assez euh, informelle, on va dire, mais c'est plutôt le mot underground qu'il faut utiliser. et ces jeunes-là se rencontraient assez régulièrement. il y avait beaucoup de, beaucoup de, il y avait un esprit de compétition qui était assez fort, mais en même temps assez sain, puisque ça faisait que c'était une façon de passer le temps, c'était une façon de se surpasser, c'était une façon de, découvrir des choses, et surtout une, génération qui s'inspirait beaucoup aussi de, euh, de la télé, de, l'émission de Sydney, euh, HIP, HOP. Donc euh, bon, c'est aussi maintenant un moyen de disons, de s'orienter aussi vers ce qu'on en a à dire au niveau Sénégal, euh, parce qu'en dehors de la musique, il y a aussi toutes ces, disciplines qui font partie de la culture urbaine, parce que la culture urbaine, en fait, on parle de culture urbaine au Sénégal à partir de 2006, euh, et donc euh, avant ça, c'est plutôt le hip-hop euh, qui est, qui, le mouvement qui est assez fort. Euh, c'est vrai que en fait, c'est important de souligner que beaucoup de hip ils ont commencé par là. danse en fait, moi, je sais que Carludi, il a commencé. Mm bon, Awadi. Awadi. il dansait Oui, c'est eux qui ont commencé tout ça. Ok, Soleil oui, mais bon, je ne savais pas. même Popesse, trop calme comme ça, je ne savais pas. Alors, euh, Papis, oui, on y va. Alors, Papis, as euh, dit, en fait, c'est vrai que Yen, en fait, d'après ce que Gassira a dit, Yen a commencé. Mais quand on parle de danse, qu'elle a dit quelque chose de très intéressant à moi. C'était fort mais sain. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de danse au Sénégal, ça fait, ça fait réfléchir. C'est vrai que ben style, une forme de danse, ou genre hmm, de danse Mais au départ, est-ce que c'était facile pour vous vraiment d'essayer Parce que après, apparemment, c'est pas des choses, des positions à adopter très simplement. Hein waaw non seulement approche par rapport à la danse mais aussi par rapport aux faits. ok tout d'abord dama lay remercier si invitation bi di rafetlu sa émission bi dafa nice. et puis ñun tamit amuñu woon chance pour mën exprimer aussi côté danse bi. mais comme je yu mel ni yow déterminé di ñu inviter si émission yi dañ lay dañ koy rafetlu quoi. ok merci Hein. c'est toute l'équipe de Parlons Jeunes. ok waaw maa ngi nuyu Gassira sama maman bi toog xam nga vraiment lu muy def si danse bi bëri na trop bon mënuñu ko fay quoi di nuyu sama collègue bi mi Viera moom moom ñoo jànganoo fecc ñoo defandoo lu bëri di nuyu tam suñu rakk bi Abdallah moom tamit vraiment topp na suñu tànk ba tey macha allah quoi bon damay kontaan sa ce kii bi ce question bi bon ñun bon bu ñuy jàng danse bi dafa metti woon bon ñu ko doon xool ci ay film di ko xool tey si ay jeu di mouvement yi métti na trop trop trop boo ko doon def sax lay négatif mais bon ñu dañoo gëm rek bon sport la comme sport et puis dafa noble quoi ñu ñu ne pourquoi pas dañu dem à fond noonu lañ demee di créé benn groupe boo xam ne la sama benn booy son bu doon jàng di fecc di day de nuit ñu ne pourtant ñun danse debout la ñuy def ñoom break la ñuy def et ñu ngi dëkk benn quartier pourquoi pas ñu créer suñu benn groupe quoi représenter parcelle bon noonu la affaire bi jógee quoi bon euh, jusqu'à maintenant bon affaire bi mu ngi jël nank-nank di dem mais tu vois que euh, mu ngi gën a jëm kanam quoi puisque ñun bu ñu koy commencé dañuy jàppoon ne ay dañuy foo xam nga dañ ko jàppoon rek passion di foo mais bu demee ba léegi xam ñu si fayeku di si dem fu ñu neex bon euh, c'est grâce à la danse quoi à gombe, bon c'est euh, quoi. alors euh, Viera en fait vous faites beaucoup de choses à la fois hein donc nous le définir le la et ngay defali mais en fait quand on parle de danse urbaine il faut faire affaire parce que nous, avons ay crump ak ay affaire donc mu ci mais bon on va parler de tout ça durant l'émission Légui, en fait est-ce que tu peux te définir au début est-ce que c'était facile Hmm, au début ci danse bi. waaw ba ngeen commencé yéen puisque yéen yéen ko yéen ko soxé quoi comme ni ko gaay di waxé wa wa metti woon na métti woon na comme bép début ci art rek metti woon na mais tamit xam nga soy def li nga xam dang ko bëgg tamit do yek metti bi quoi peut-être mo doon amortir. def fois yow première approche c'est-à-dire fan nga njëkk xamni li amna que danse. Ouais, danse urbaine. Euh, que danse euh, break hop voilà nañu wax b-boying quoi parce que xeyna na bobu boobu. di gëna a mën a retrouver b-boying quoi suñ koy dégg moy genre break quoi. Ouais, voilà voilà en fait c'est parce que man j'ai commencé par les arts martiaux. ok donc par les ah, arts martiaux il a commencé. de ce fait même bala may ñëw ci danse hip hop bi fekk na euh, xamoon tout ce qui était spectacle. dem génn hors du Sénégal pour dem.

oui, capoeira, art martial en même temps donc euh, forme de beneen style de danse là en même temps quoi. en fait je euh, ma bëggoon ñëw mooy breakdance aussi sur xoolee historique du break par exemple il y a des films euh, chinois. Mhm. même si ay Jackie Chan da a mouvement au sol Moi, des mouvements au sol Moi, breakdance, dance donc foofu lañ ko inspiré Moi, côté gymnastique bi. Mhm. côté mouvement yi nga xam ne mooy spectaculaire yi teg sa loxo di tourner moi lu ñuy woowee ay coupole ay thomas. Mhm. yooyu ñu ngi jóge ci arts martiaux yi. yooyu ci arts martiaux yi la a ci côté kung fu. ok est-ce que comprendre nga léegi de ce fait euh, dafa que euh, comme genre parce que mon sama professeur là, toogaaleel xaar ma nuyu ko <laughs> Papis moom dañu bokkoon groupe mais bu dul dara tamit sama professeur de danse woon. Mhm. boobu fekk na peut-être amoon naa une capacité yeneen bagage la mon. Mhm. mais bi ma ñëwee moom moo ma jiitu on ci danse euh, hip hop bi. ci ci danse de boubi. léegi peut-être que j'avais la chance man sama corps fekkoon na muy def un mouvement spectaculaire de ce fait su ma doon jàng benn affaire ci breakdance bi day gaaw de ce fait après moi, je ma beaucoup sol body ground bi yëpp mën naa sama professeur parce que nous ñoo ma jiite woon ñoo ci breakdance mhm. mais après par la suite ma suis ak ñoom di bosser di job di job euh, après ñu accueillir ma ci groupe bi ma d'accord donc à Abdallah. Abdallah c'est en fait un peu l'espoir hein. l'espoir par rapport peut-être à ce métier-là parce qu'étant jeune étant aussi quelqu'un qui fait beaucoup de choses hein dedans euh, kañ nga xam Salam salaamaaleykum Babacar. Mhm. de toute façon. Euh, bala may commencer damay yalla euh geureum samay wajur parce que ñom ñoma permettre tay ji aar bi ma koy ba ni parce que tamit ba ma koy commencer j'étais mineur te amon yenn euh, autorité pour def yenn sosie yi. tey jii ñoom ñoo poussé ba ma ñëw fii. Mhm. donc euh, dama sante yalla mhm. euh danse pour man dafa mës nek ci man quoi. Je ne sais pas parce que je suis je ay affaire péri affaire mais c'est grâce à mon grand frère que je salue de passage Cheikh Omar. Moi, mon grand frère am dañ euh, copains soirée yi mouvement star par la suite comme que que ça soit à l'école à tout fumu mhm. j'ai commencé et par la suite. Euh, commencé xam ay Solbody ground commencé xam ay technical crew commencé xam ay extreme b-boy doon dem seen salle di gëstu parce que temps yooyu bien vrai que ñoom ñooñu njëkkoon fecc mais amuñu woon fu ñu par exemple en parlant de technique ak d'explication ñoom carrément amuñu ko woon quoi léegi ñun bugguñu comme que ñoom def nañ benn avancée ñun nañ au moins ñoom technique yi ñu am ñu mun ñu ko ñëw jox. Mhm. donc ñun dañ doon ray suñu bopp di daw école di def lépp pour ñëw suñu grand yi. Papis de Solvary Ground mhm. Viera parce que man je me souviens très bien dama doon ñëw di toog spectacle ci kanam pour rien que gis leen kon tey jii su ma toogee fii di bokk ak ñoom plateau di waxtaan ci danse je suis honoré d'accord merci en plus euh, représenter Sénégal au niveau international ci métier à début n'avait pas en fait euh, amuñu une possibilité donc ça c'est intéressant alors Gassira en complicité avec notre monteur Mansour de définir en fait les termes c'est important nous xam euh, break danse debout. ay un ak affaire en fait est-ce qu'on peut revenir un peu sur les explications nous xam que ak bi ak danse debout moy le debout, c'est juste debout. C'est-à-dire que on tu au sol. On, danse debout. Donc, ok, pour permettre à, en fait, à notre spectateur de comprendre, moi, il est Alex Didef. Parce que Alex, moi, je le nid. oui. Hein? Ah, moi, il est Alex Didef, quoi. D'accord, ok. Euh, euh, après, dans, dans, le debout, il y a toutes sortes de, de styles. Hein. Ok, tu l'as avec crump. Le crump, c'est autre chose. Hmm. On ne peut pas. Enfin, c'est du debout aussi, mais c'est euh, un peu particulier. C'est un peu à part aussi. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans comme Dans le ah on peut trouver du ah, new euh, style. voilà voilà popping. type de style d'accord ok donc debout en général vraiment c'est tout ce qui est debout. tout ce qui est debout breakdance. c'est des figures beaucoup plus acrobatiques. on va au sol on tourne sur la tête. Euh, comme a dit Vera on fait des coupoles des thomas et là aussi il y a tout un vocabulaire qui est spécifique au breakdance. ok ok et je dois dire aussi que euh, le breakdance quand même si on voit les danses on peut aussi voir l'origine du breakdance. ok, les danses pour le gars, c'est une affaire. Voilà. Ah, vous soulevez un truc intéressant. Donc, quand, euh, ah, souvent, on dit culturellement, il n'y a rien qui nous lie à cela. Alors que culturellement, quand on puisse merci beaucoup xam naa ni sax ak Mansour hein, on va essayer de voir un petit peu benn vidéo buy wax ci loolu mhm. ah Kébé gis ngeen lii am solo trop Ndekaté li pël yi def surtout pël Fuuta yi mhm. seen caay yooyu ñuy tëbëka naan ni affaire yoy ndekaté lolu break dance la te ñun xamuñu ko gaay yi dem ñu États-Unis xëy na lay raw Abdallah <laughs> alors maintenant on va faire l'état des lieux hmm? C'est vrai que ok historiquement xamnañu nañu affaire bi quoi maintenant on va faire l'état des lieux ok ah vous êtes les précurseurs ils sont venus il y a des structures qui organisent et tout ça mais bon on ne connaît pas hein. celui qui a Yembel, il connaît pas celui kenen Kenen. les rappeurs qui aujourd'hui wax ngeen ma ils dansaient mais <laughs> apparemment on ne les entend même pas dire ah ñun pourtant on a commencé par ça alors que ça va parallèlement avec aussi le hip hop parce que souvent on wax définir la culture urbaine bu on hip hop on lay wax graffiti mais on lay wax danse hip hop hmm? l'état des aujourd'hui beaucoup de gens ne savent pas pourquoi euh, Gassira Beaucoup de gens ne savent pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que justement, là où on va, on trouve beaucoup de jeunes qui sont déjà impliqués, qui dansent, mhm. qui, qui rappent, euh, même dans les régions aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un engouement pour le, tout ce qui est euh, culture urbaine et pour la danse en particulier. Mhm. Donc, justement, il y a une forte demande des régions mhm. euh, parce que justement, Dakar est toujours un peu en avance parce que peut-être plus exposé certaines choses, mais détompez euh, détrompez-vous, hein, parce que les jeunes là, ils sont au courant de ce qui se passe. Bon, maintenant, c'est une façon de les accompagner, qu'ils euh, accèdent à une formation de qualité, qu'ils accèdent aussi à des événements de qualité, parce qu'il y a aussi les compétitions, il y a le, tout ce côté battle, etc., mais il y a aussi le côté chorégraphie. D'accord, alors beaucoup de jeunes savent, mais est-ce que par exemple, bon, dans les boîtes, hein, wala xëy na ci yenn concert hip hopeurs yi quoi Donc nga gis c'est vrai quoi ils font du debout hein. ils font du debout mhm. d'accord mhm. mais est-ce que xam nañu carrément Viera selon vous mhm. est-ce que xam nañu ni lui, mën donne un métier mais juste ben expression ni le xëy parfois pour frimer quoi disons pour frimer ok Waouh, waouh, waouh, waouh. waaw loolu dina am parce que début la parce que début moi. mooy mën nga nekk si benn affaire sans nga rendre compte ci lan nga nekk quoi nga sans nga comprendre si lan nga nekk quoi. Mhm. dal nañu peut-être ñun ñëpp ci suñu enfance tamit quoi mais après si biir loolu nag. ngay demee di gis yeneen professionnels yi nga gis ñu la ëpp niveau des fois nga dégg benn battle am na nga dem si battle bi fekk fa ñeneen euh, ñoo xam ne ñëpp tamit dañu aay après léegi am na ñoo xam ne si noonu la ñuy mën a bokkee après nek ci yoonu professionnalisme bi aussi. D'accord, ok Papis euh, c'est vrai hein, parce que man en fait bataille ba tey wax xawna des tuuti ah vrai que début le quoi. Hmm? début le. donc di nga wax ni li ok début le. mais ça dit, est-ce que aujourd'hui tous ces jeunes là yi nga xamanteni ne man comme yow comme ñun dinañ leen gis dans les boîtes de nuit wala dans certains concerts quoi ñuy ñuy ñuy pratiquer le debout Hein? Et c'est très clair aussi, boy xamni li def, on l'appelle pas break dance, on l'appelle danse debout. D'accord OK, légui si ñu ñëwé par exemple ci li nga wax ni légui hein, moy li Viera wax ni légui. Mais est-ce que c'était c'est pas à vous maintenant vous les old school comme les gars di wax, hmm? de telle sorte que boy xamni li def parce qu'il y a il y a beaucoup de Abdallah dans ces jeunes là, hein? Il y a beaucoup de Abdallah mais xamuñu ni ok yow am nga ben affaire bu ndaw bo ibi pour qui ko xamuñ ni Viera à côté xamuñ ni ok à côté mais bon est-ce que jarul par exemple tay ji yéen ngeen comment vous structurez pour dire à ces jeunes là attention il y a un certain b-boy Lilou qui grâce à des Fetch qui vient chaque année au Sénégal pratiquement mais Koko, il a été double champion du monde Koko, par exemple vous vous découvrez mu découvrir l'un à travers peut-être avec partenariat il il y a possibilité de ngeen ngeen am ci seen gagne donc structuration boobu tey jii parce que yéen warul len ngeen def ko pour sensibiliser boy ñu mën japp ci. wa deug la ñun de si si base yu la ñuy dox à chaque fois. ba récemment ñu ngi def ay formation yo xamanteni bon dem nañ un peu partout pour mëna won boy ñu gëstu bu baax. xam ne li def bon danse la et puis métier la bu noble bo xamanteni ne ci gagner, sen si gagne-pain. Mhm. avant ñun dañ koy xol ci ñun ñun ci boîte de nuit lañ doon dem. di di. Euh, maa ngi def benn resinpi si DJ Matar wax dëgg yàlla fu ñu doon dem fu nekk moo ñu doon woo ne ñu kaaleen bu ñu ñëwee xama si boîte de nuit dañu doon fecc di foo mais moom moo ñu jël teg ñu si yoon ne ñu li ngeen def yéen a ngi foo mais peut-être boo leen feccee ñëpp ngi taxaw di leen xool yéen a ngi créé spectacle pourquoi pas ngeen dem si lancé boobu mais ñun noonu lañ demee ba xam ne war nañ mën a lancé wu si côté boobu par la suite ñu siy gagné ay publicité ñu ñuy woo ay concert kaaleen fecc mais noonu lañ demee ba xam ni affaire bi métier la mais par contre booy yi nga xam ne ñoom ñooy booy yu bees yi ñoom euh, ñu ñëw doog a fecc mais ñoom chance bu ñu am mooy am nañ ay grand yoo xam ne fekk nañ ñu taxaw ba mën nañu affaire bi ñoom loolu rek mooy seen chance ñun chance boobu amuñu ko woon peut-être ñoom Baye lay ñoo fi nekkoon ak euh, euh, Carlou D ñoom ñu ngi doon fecc ci Navodo NBA mais ñoom après dañoo ñëw viré ci côté musique bi. mais euh, ñun amuñu woon chance trop jege leen ba à la fin lañ jege Baye Souley si mhm. dañ mën a def ak moom ay ay kilibam euh, bi ñu doon def fifi xaata la mhm. ba par la suite ñu partager ay scènes mais franchement am nañ ci expérience boo xamante ni buñu jii ba yegg fi tamit mom ñom am nañ ci pas de responsabilité ma leen di nuyu au passage tamit euh ak gëm suñu bop lolu pour man boy buñ ko amé rek djégé tamit structure parce que amna ben école de danse bu tijji récemment euh, euh Bourguiba. ok euh, Mariama Touré. maa ngi koy nuyu de passage moom tamit bon am na idée wu tijji benn école de danse woo ñu ñun les pionniers ñu ñëw jàppale ko si affaire bi. Mhm. donc pour man instant bi ku bëgg a fecc rek xam na yoon bu muy jaar. Gassiraa ngi fi kaay fecc ngi fi. Mhm. kaay fecc mu ngi fi ñun tamit gis euh, kaay fecc am na si lu ñu aidé ci lu bari parce que bu ñu gisee kaay fecc dañuy naan ah lii rek kaay fecc la ñu wax kon dañuy ñëw fecc. Mhm. bu ñëwee fecc dañuy ñëw indi lu ñu am.

succession d'une femme, quoi. Bon, il ngi quoi. d'accord alors Abdallah comment tu peux expliquer comment tu peux expliquer ta jii affaire bio en tant que jeune quoi. Hmm? comment tu peux expliquer n'est tout pour frimer quoi hein? mais maintenant c'est pour c'est un métier pour toi quoi léegi mën na nekk un gagne-pain. ok Babacar mon lol, dinaa si sawar a hmm. trop trop trop. Hmm. parce que man ba may commencé c'était faire, c'était hobby la quoi passe-temps la on loo xam ne dama ko donne soit pour nit ñi gis ma gis leen quoi mais fur et à mesure may dem dafa dem ba benn moment nekk amour ma koy def par amour ma dem ba benn moment ma xam ne lii war naa si mën a gagner sama vie war naa si mën a tekki war naa si mën a am lépp lu doomu aadama mën am war ko si mën parce que tamit am boobu noonu c'est pas seulement euh, côté xaalis mais si côté humain côté découverte mën nga si am lu bëri donc parce que man à l'école j'étais man mën naa ne danse moo tax ma bàyyi jàng ma bàyyi jàng te à l'école doonu moon génn si cinq premiers yi donc ba ma demee ba xam ne man lii yàlla am na lu ma si may te gis naa su ma si góorgóorloo mën naa si tekki te gis naa ni peut-être Sénégal bëriwul mais à l'extérieur il a danseur soo ko gisee moom ak otom moom ak salaire am boo xam ne tey jii mën naa ne bureaucrate yu fi nekk yi seen salaire salaire ñooñu ñoo ko ëpp donc ñun suñu góorgóorloo liggéey dangay ngay dem parce que doomu aadama lépp looy def rek soo si defee fulla ak fayda rek da ngay dem donc jeunes yi samay morom samay rak man dama leen di message mooy nekk que nañ góorgóorlu quoi nañ xam ne danse bi tayji mën na len mën si am parce que moi je dis tayji suñu grand frère yi Papis euh, viera tay da am nañ ko nañ ko ba Abdallah ñëw am facilité pour voyager mën am facilité pour gagner vie homme si danse donc ñun tamit suñu rôle ñun ñi nouvelle génération bi ñun ñoo war gëna plus de sensibilisation de respect lu parce que c'est très important parce que tu vois par exemple tu as donné un exemple on confondre juste debout avec peut-être breakdance, dance danse c'est temporaire parce que tu vois le dougi voilà Nous pour ni je suis un danseur un danseur professionnel mais fait du dougi c'est fecc parce que comme nous sommes ne nous nous ne race, nous sommes ne euh, comme la hip hop sabar mais day donc il faut que nous sachions que Les danse c'est de l'art Nous, avons des messages on parle avec notre corps parce que art c'est pour véhiculer des messages nous on a que notre corps pour parler donc nous sommes porteurs de de parole d'accord et puis moi ce que je voulais ajouter aussi c'était que le, le défi aussi c'était de de donner de la visibilité à ces jeunes leaders-là, parce que ce sont des leaders en fait. Mhm. C'est comme pour la musique, il y a des leaders en musique, il y a des leaders dans d'autres euh, disciplines artistiques, mais la danse, il fallait aussi donner cette visibilité-là, la sortir des boîtes de nuit justement, la mettre sur la scène, la mettre... Euh, bon, et puis de toute façon, c'est une danse qui vient de la... qui est née dans la rue, qui doit rester aussi dans la rue, parce que de la porter sur la scène, ça devient autre chose aussi ça la dénature un peu, mais c'était une façon aussi de vraiment donner la visibilité. On a eu de la chance, on a pu organiser quelques événements. Euh, bon, il n'y a pas que les événements de l'association KFF d'ailleurs, hein, il y en a d'autres d'ailleurs qui sont en train de se mettre en place. Et c'est très bien parce que plus il y aura d'événements, plus il y aura de représentations, plus il y aura donc d'envie de danser. Et puis, bon, c'est bien aussi de faire des événements, mais il faut aussi de la formation à côté. Et ce, ce, que tu disais tout à l'heure, c'est important. Il faut pour structurer tout ce secteur-là, il faut aussi commencer par bien se former, euh, avoir des formations de qualité. Donc effectivement, ce qui nous manque, c'est vraiment des institutions où on va se former sur des durées euh, à plus long que deux semaines, parce qu'au bout d'un moment, une formation de deux semaines, bon, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est vrai qu'il y a quand même quelques institutions qui existent. Bon, on peut parler de Germaine Acogny mais l'école des sables, mais c'est quand même qui a commencé à intégrer le hip-hop dans son curriculum, mais Là aussi, bon, il faudrait plus, il en faudrait plus de ce genre de d'école où on va se former vraiment et puis on a un diplôme à la clé et on peut éventuellement euh, avancer ça, et faire une carrière qui, repose sur des bases solides. Ok. Alors, quand on parle souvent de danse, il y a une expression corporelle, mais à travers vraiment le corps, on, donne des messages. C'est très compliqué. Hein. Moi, je ne m'imagine pas Comment à travers un truc comme ça on peut donner des messages Comment hein? Comment on donne des messages euh, Comment on donne des messages Waouh, waaw yegg si <laughs> voilà les loolu là, bëgg c'est-à-dire message da ngeen di sensibiliser da ngeen di wax ci affaire mais nan. affaire yi euh, nu en fait voilà parce que danse d'aller amaale tamit théâtre déjà moi, danse bi suis génn nii ci danse pour hop je soo xoolee Crump waaw euh, dangay gis dafa bëri caractère yu yi nga xam ne kanam bi expression faciale bi yu muy def tamit quoi nga xam ne que kii lu muy ay ressenti wam moom lay wane nii ngay mën a comprendre su meree nga xam ne kii dafa mer su kontaanee nga xam ne dafa kontaan est-ce que comprendre nga de a fait le côté fu mu bokkee ak théâtre bi léegi de ce fait am na beneen côté bi nga xam ne ci danse euh, hip hop yi ci danse urbaine yi mooy break dance de fait loolu histoire euh, Amérique la États-Unis la fi mu jógee la man histoire boobu ñoom ñoo ma koy gën a mën a expliquer est-ce que tu mais amoon na yenn sign yoo xam ne nii amoo droit dëngalee noonu sa casquette wala amoo droit def nii say loxo de ce fait loolu entre ñoom ay clash la woon am na yenn. yenn gox yoo xam ne ay branche mooy fi fa bi juddoo am na yenn expression yoo xam ne amoo woon droit def ko dafa war a dafa mel ni comme genre yaa ngi lancé que le défi de ce fait am na ay beaucoup de signes de ce fait loolu côté urbain bi la loolu danse hip hop bi la mais après euh, du cadre général nag mooy danse comme étant expression corporelle nga gis danse contemporaine tamit da ngay gis même soo xoolee euh, fleuve bi lac yi lac bi na ci nu ci euh, animaux yi nekkee ni oiseaux yi nga gis nu ñuy def tey ji nit su koy essayé tamit da lay jox ben chorégraphie. parce que nit ki moy imitation bi fi muy inspiré woo moy nature bi ko wër. légui légui lolo ci danse contemporaine yi mën nga comprendre nonou ci danse hip hop tamit mën nga jël ben thème je sais pas ben thème bu vague ça dépend ci yow lu la neex nga jox comme thème ma expliquer peut-être par exemple euh, chorégraphe bi mom ci bopam interprète bi naka lay nekkee ci ay dimension pour mën la expliquer euh, carrément mom lan la bëgg expliquer ci danse bi est-ce que tu vois il y a plusieurs manières de s'exprimer dans la danse. Mais si je peux ajouter aussi, c'est que mais tout ce qui est breakdance, euh, crump, ce sont quand même des danses qui sont assez, qui c'est de la revendication parce que ce sont des jeunes, ils ont ils, dansaient parce qu'ils n'avaient pas euh, les moyens peut-être d'aller euh, dans de grandes écoles ou bien d'aller dans des écoles de danse qui, qui, étaient plus ou moins réputées. Donc c'est une, c'est vraiment, c'est une danse qui a émané de, des quartiers défavorisés dans le Bronx, des jeunes qui n'avaient rien à faire et qui bon, au lieu de, de d'aller vers la délinquance qui, ont, qui dansaient parce que euh, c'était une façon de... Euh, de, on est ça, on, existe. et on existe et qu'on est là et qu'on a des choses à dire aussi et on peut les dire autrement. Les gens dansaient sur du carton dans la rue, donc s'ils n'avaient pas de, cadre formel pour le faire, ils se sont mis dans la rue, ils ont mis des cartons, ils ont posé la musique et ils ont commencé à danser. Le crump, c'est aussi euh, ça, vient des, quartiers chauds là, en Californie, etc. là où les gens vraiment souffraient. Et c'était une façon d'extérioriser toute cette colère là pour ne pas une façon de la canaliser en fait, pour ne pas justement la diriger vers euh, quelqu'un d'autre et, devenir violent. Mais on, canalise sa violence, on l'extériorise d'une autre manière. Donc euh, voilà le crâne c'est ça. revenir parce que si on suñu à euh, l'histoire du hip hop soo le hip hop c'était Africa Bambata c'était juste pour essayer de régler les conflits entre les gangs autrement c'est-à-dire je reviens le euh, terme hip hop parce que c'est quelque chose que même les rappeurs de parce que on est hip hop ils vont penser directement que c'est le rap alors que ce n'est pas le rap. Le hip-hop est composé de quatre branches, ou, plutôt cinq. Les, principales branches. So, il y a, y, a, la danse, il y a le graffiti, il y a le DJing, il le rap et le big boxing. donc il y a une façon de lancer message am dit si lancer message c'est par sa voix micro le le graffeur tey si su bëggee lancer message am c'est à travers des dessins le DJ c'est à travers le scratching nous les danseurs c'est à travers notre corps Des si danse dafa bëri ay style style bu ne le lu par exemple cramping mon mot gën a moom moo yom expliquer parce que vous dañuy une colère dañuy wane loo c'est c'est la haine donc chaque style de danse am na lu muy wax am lu muy yow est-ce qu'on peut comprendre à travers ce que tu dis que tey ji warul am concert rap. bu àndut bu ànd graffiti te àndut euh, danse hip hop. parce que ñoom ñoo ànd. tey warul warul am quoi kon du yoon ah. si ça dépend maintenant ah. ça dépend non c'est-à-dire c'est-à-dire soo <laughs> déggee ma ne loolu hmm. c'est-à-dire les rappeurs <clears throat> war nañ gën jox considération les danseurs. parce que c'est quelque chose de ramener. On war nañ quoi pourquoi. Mhm. ima xoolal xoolal dans la télé. <laughs> xoolal dans la télé les les les les américains. clip bu ñu mënti tu vois derrière eux des danseurs. ok la plupart des clips da ngay gis danseurs mais why not Une fille au Sénégal. te rappeurs yu fi mag yëpp suñu suñ suñu suñ toogee soo leen j'ai commencé par la danse alors que duñu duñu avec la danseurs chaque fois dama koy wax dama que ça soit Awadi, que ça soit Matador, que ça soit Kenen. <laughs> D'accord. mais on peut quand même, c'est-à-dire que les disciplines peuvent exister en soi, mais c'est bien aussi quand elles se croisent. Mmh. Euh, fait plus De force, en fait. Ça fait plus de force, évidemment. Mais mmh. la danse peut exister en elle-même, le rap peut exister en mmh. lui-même, etc., euh, etc. D'accord. Ok, Viera avant Vieira s'il te plaît Papis euh, c'est vrai hein, parce que euh, xam d'après ce que <laughs> Abdallah vient dire mais le problème pour moi euh, n'est plus là le problème moi, euh, ah, ngeen structurer hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différentes structures il y a des formations on va revenir là-dessus mais deuxième partie pour gagner, je vraiment en fait à quoi tenaient ces formations là parce que c'était à travers les régions et en fait à mon avis man musuma xalat ni dans les régions en fait dina am ay danseurs wala ay b-boy man musuma ko xalat alors tey on parle xam nga man parce que Gassira wax na sànq lu am solo breakdance bokoy boo jël nga ko assimiler un petit peu à ce que les pole Fouta les danseurs pole Fouta ou pole même font de manière générale hein est-ce que mënuñu adapter vous par exemple c'est on n'est pas aux États-Unis on est au Sénégal est-ce qu'on peut pas voir à adapter, par exemple, li, ce qu'ils font là-bas, hein, bu ñëwee fi ñu contextualiser ko jël un peu de nous jël xëy ay taxagun geur ay raw tacc Dougal ci biir mu mu gëna neex. Deug la deug hein? la gis nga lolu, gars peut-être xamna dañ ci bàyyiwul woon xel rek mais ñun buñu commencé xex lolu, C'est depuis en 2007 yàgg na bu commencé joxe message bobu peut-être ñooñu comprendre duñ ko moment boobu parce que ñu ngi doon pas ni sax on n'est pas un peu b mais c'est que ñun ñu ngi woon ci côté b mais dañoo demoon ba romb b-boying suñu moyen da doon jox ni on est des africains y a doon wax léegi ci côté thème yi bon thème c'est important parce que tamit euh, expression corporelle ñom sen sen micro lañ yor mais ñun suñu yaram lañ yor pour exprimer wu té ci kaw lolu euh, dañ dañ koy liggéey ci kaw chorégraphie bi costume bi décor bi ba ci chorégraphie bi ak lépp parce que ñun ñoo ngi def benn léegi benn benn ñu ngi defoon benn prestation bu benn euh, kii bu euh, création bu trente minutes. mais trente minutes bi boo ñëwoon taxaw seetaan ko di nga xam lan lañ bëgg wax te téye ñu benn yoon micro pour expliquer mais suñu yaram lañ doon expliquer wu ak tamit euh, décor bi ak tout ça dañu def évolution de la danse hip hop fa la danse bu jógee tey né en Afrique grandi aux États-Unis et retourne au Berpaï. Ah, mais est-ce que hein, c'est à revoir, hein, Mais c'est vrai, hein, hein? c'est vrai. Quand moi, je pense qu'il y a. Non, man, man. man, man, man. quoi, mais c'est à revoir. Ce que je veux dire hein. aussi, c'est qu'au hein? départ, au départ. Quoi, Wadara dit non, quoi, quoi, mais Wadara dit entre guillemets, hein. Mais au départ, moi, je me rappelle. Uh-huh. Excuse-moi, Viera. Je me rappelle euh, l'association Kaifetch qui, un jour, a. Euh, a organisé euh, une, formation de danse traditionnelle spécifiquement pour les b-boys et les debout, etc. Ah, de danse traditionnelle. De danse traditionnelle justement pour pouvoir euh, utiliser cette matière-là pour pouvoir. bon, je sais qu'il y a d'autres qui ont commencé peut-être avant nous. Hein, je ne revendique pas la paternité de la chose, mais il n'y avait qu'un seul danseur qui s'est présenté. À l'époque, hein, c'était en 2000, je ne sais plus combien là. Mais maintenant, il y a quand même une évolution. Les jeunes là, Vera va nous parler de sa de son expérience en danse hein. traditionnelle. Demandez à Abdallah, demandez à Papis. Mais bien sûr, là, voilà. Ça, là, ça devient intéressant justement parce qu'il faut qu'on fasse la danse qui nous ressemble, mhm. auquel, à laquelle les, publics vont pouvoir s'identifier, et euh, pour que justement on crée du patrimoine. La tradition de demain, là, c'est ces jeunes-là qui vont la créer. ok parce que en fait man benn si dama dégg coon c' quoi mu ni moom li tax mu d' accordul ay musicien bu ñu demee Europe daw parce que yow guitare main mën boo demee fa di nga fekk kuy guitare bakkanam <laughs> kon loo fay de mais léegi yéen c' vrai que vous faites euh, un peu de la danse hip hop mais ça dit à mon avis ah mën na am mais pour ngeen raw gars dina métti donc pour que affaire bi original. ngeen jël affaire yi fii ay ndaw rab bi nag ñoom seen duggal ci affaire bi saf safal ko bu ngeen demee fële gars yi vont se dire mais ça vient d'où ça ça c'est du original dance hip hop ah hein? mais moi je pense que c'est ça en fait euh, Vera. waaw ok loolu pour xaw ko expliquer tu sais des fois mhm. soo nekkee ci biir piste bi. Uh-huh. yow mi danseur bi ak ki taxaw di la seetaan li muy gis c'est deux choses différentes est-ce que tu vois de ce fait boobu am na benn jamono boo xam ne ñun Soul Body Ground mooy nekk mi ngi doon teg loolu c'était bien avant 2007 est-ce que tu vois 2006 mais peut-être tamit gars yi comprendre ñu woon loolu ci boobu jamono. Mhm. est-ce que comprendre na. ok boobu jamono. boobu jamono mais maintenant il voit que. léegi. Mhm. ñooñu comprendre nañ ko léegi. mais affaire bi chaque jour ñu ngi naan ay afrique moom ci loolu lay bëgg ñëwaat afrique c' est le berce de l' humanité loolu cheikh anta diop moo ko wax kenn mënu ko weddi am na ñu dem jàng ji ci biir université bi am na ñu jàng ki ñu tuddee université bi de ce fait léegi loolu moo waral ñu ne wiiri wiiri mooy indi wiiri wiiri bi jaari ndaari mooy nekk dans si bopp bi mooy mooy boomerang bi bi ngay dégg mais au fait dara ji famille wax na ko dëgg la euh, de passage tamit maa ngi leen nuyu parce que def naa seen benn clip mooy sama gaañee ngi de ce fait foofu di nga xaw a gis ne que sa euh, dans si bopp la mais boo amaale danse africaine moy ne lolou loolu na fi am mi ngi fi mais il faut ñun ñu comprendre ko ba paré am engagement bi pour proposer ko à l'extérieur ba paré ñu ngi koy def parce que euh, man euh, la première fois ma doon génn ak sama spectacle solo la génn dem tourner en Europe est-ce que tu vois peut-être euh, plus en Espagne spectacle laa se présente mais lima yobou lolou la moy danse hip hop bi mélangé ak danse africaine bi est-ce que tu vois mais Afrique dafa jël paix di xëccoo ndaré est-ce que dégg ah, mais mooy Afrique is the future mooy yu ñuy wax yooyu yëpp dëgg la am nañ bagage bi mais gëmuñu suñu bopp mhm. ñun jamono ji ñuy nekk si kaw scène bi di wane loolu nit yi ci œil extérieur bi comprendre ñu won loolu mais te instant bi ñoom ñu ngi ci loolu di ko def nii d'accord euh, Abdallah euh, Abdallah après Gassira Abdallah mhm. foofu noonu léegi yow def nga formation dans traditionnelle boobu waaw waaw ok qu'est-ce que ça t'a servi

tey damay rey sama pour mon ko. d'accord Et le preuve que je donne la euh, preuve bu may joxe dans mon voyage trois voyages je voyagé Ça, su ma de mes piste j'ai pas besoin de montrer l'or xam ne ñëpp dañ koy gis ñëpp dañ dañ quoi. Mhm. c'est-à-dire si je dis ça. par exemple un peu de voilà je viens je viens je danse mais de monsieur suis loo c'est une danse traditionnelle mais du damay ñëw sabar sabar sabar sabar sabar sabar ba suba mhm. ñoo net ma ngi fecc break non mais comment nga mën a jël ben paw sabar mixé ko ak sa danse ba mu joxe lo xamné c'est original yes ce que beaucoup de danseurs n'ont pas compris okay. parce que man je je je euh, damay témoigner ben affaire parce que quand Sol Body Ground était là bagn ko don def ñen ñi dañu ne way ñi buñu sonal ay katut sabar lañ ay lii ak mhm. mais on n'avait pas compris mais lo gis day évoluer donc damay éclaircir lenn rek moy c'est pas nous, fecc sabar sabar sabar sabar ne yaangi faites wàcc break je suis pas d'accord pour ça mais comment prendre les bases ou les pas de sabar d'accord parce que il faut pas aussi trop diluer tout de suite c'est-à-dire qu'il il faut aussi maîtriser la technique de base et ensuite ajouter l'originalité qui fait la différence avec les autres euh, d'accord l'autre question est-ce que par exemple on peut protéger la danse si on peut protéger la danse ah. Ah ben, il y a les droits d'auteur pour ça ok <laughs> en fait eh, voilà ça dit est-ce que peut protéger parce que un album de rap je sais qu'on peut protéger ça un livre on peut comment protéger comment on protège la danse euh, ça se protège en, allant justement à la nouvelle société de gestion collective. Ok, donc le BSDA qui s'appelle plus BSDA, mais la nouvelle société de gestion collective. Voilà, il faut aller présenter son œuvre, si mhm. possible sur un support euh, image, mhm. vidéo. Euh, et puis, okay, on euh, filme, après on va on dire, dépose. ok, voilà, pour ça, quoi. C'est moi qui l'ai créé, même si parfois ça vient d'un patrimoine qui, qui, est considéré comme public. Mais du moment qu'on a, qu a pris le temps d'agencer ces pas-là, mm -hmm. on devient euh, propriétaire de, cette hauteur. fait euh, est-ce que vous nous protéger déjà. non waaw voilà waaw alhamdulilah rabil alamin parce que. très rapidement say xalaat hein? très rapidement dem mieux pour nga ci protéger nit mhm. je fais partie euh, de du euh, conseil d'administration euh, du conseil d'administration en fait. d'accord ok ok donc c'est bon mais est-ce que par exemple vous nga un peu sur ça. non non non le baisse le BSDA changé ça fait juste décembre 2013. ok maintenant waaw léegi comme affaire yooyu am na kañ léegi gars yi dañ mën a protéger. parce que léegi ku créer sa ku def sa benn thème créer sa mhm. chorégraphie léegi boo demee déposer ak sur vidéo lépp nga protéger sa sa œuvre Ok, parlons maintenant des événements en vue. Donc, euh, des événements en vue, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est structuré. En fait, il y a des spectacles. Euh, tu passes le micro à Gassir après Abdallah. Non, non, viens, regarde le micro. Ok, maintenant, il y a des... c'est structuré maintenant. Il y a beaucoup euh, en fait, d'activités qui sont organisées durant toute l'année. Hein. Mhm. Vous avez parlé aujourd'hui de, Germaine, qui a une école de danse avec Réunion Papis sur un autre truc. Mais les activités, parce qu'on m'a dit que le champion du monde de danse hip-hop, il est venu plusieurs fois au Sénégal, qu'on appelle B-Boy Lilou. Hmm? Mm-hmm. Ok, il était venu à l'occasion de quoi Est-ce que ces activités-là, on, aura l'occasion, en fait, nous, cette année, après ah, on espère. Hein? <laughs> Qu'est-ce qu'il y a en vue actuellement comme activité Il y a le, Battle National Danse Hip Hop qui se prépare pour avril. Battle National Mais aujourd'hui même, il y a. Bataille, on peut entendre bataille. Battle, c'est oui, c'est une confrontation, mais c'est amical hein, en général. Mais en ce moment même, il y a un battle euh, euh, de, filles qui se déroule au Centre culturel Blaise qui est une initiative de Aïda, de Big Girl Aïda. Donc, 12 euh, au 13 du 12 au 13, ok. Et euh, non, c'est le 12 février et le 2 mars. Et le 2 euh, mars. la finale, je pense. Hein. Donc il y a plein d'initiatives qui sont en train de se, mettre en place. D'accord. Donc le 2 mars, allez-y regarder ce spectacle de au Centre culturel Blessingor, en exclusivité pour elle. <laughs> ok. Pour avril, il y a en tout cas bon donc le Battle national. Ensuite, il vous avez des événements peut-être. Yes. Euh, le micro. Le... Régional. Mhm. pour ah voir euh, quelle est l'équipe ou le crew, le groupe qui va représenter Dakar pour euh, le Battle National. Ok, quand est-ce que ça C'est le 1er mars. Le 1er mars, d'accord. Donc ce sera de la danse debout euh, ou du breakdance break dance. Debout et breakdance. Donc toutes les régions seront représentées ou bien c'est Dakar seulement Non, c'est Dakar, c'est pour, pour faire la présélection, pour voir quel est le crew ou le groupe qui va représenter Dakar pour euh, le Battle National. justement, quand, tu parlais de Battle National et de, enfin pardon, quand tu parlais du, du fait que dans les, est-ce qu'il y avait des, jeunes qui dansaient dans les, régions, mais justement, le Battle National en est une preuve puisque euh, il y a quand même près de, en général, 70 jeunes qui viennent en moyenne pour euh, participer au battle. 70 jeunes qui quittent les régions, pour, venir à Dakar. ou alors on a eu la chance d'aller à Kaolak, à Louga. Donc euh, ça aussi, c'est le but de pouvoir circuler. Qui étaient les formateurs C'était qui étaient les formateurs Donc les papis, Abdallah. non, ça c'est deux choses différentes. Des battles. Mais ça fait différence. Euh. D'accord. Alors pour les Il y, a aussi les jeunes euh, SNB qui font l'association SNB qui, organise des battles maintenant assez régulièrement. Donc il y a toute une génération maintenant de nouveaux événements qui se mettent en place et qui sont, qui sont fréquents, qui reviennent annuellement, etc. Euh, Vera, toi tu fais des activités fan à toi ou bien tu dans participer juste les invités faire des activités euh, Non non non mais il y a des activités parce que en fait euh, j'ai une association. Mhm donc on est partenaire dans un projet j'en profite pour voir euh, si euh, euh, aussi ils sont partenaires dans ce projet en fait c'est des formations de formateurs c'est un projet qui a été soutenu pour, par l'Union européenne pour deux ans parce que nous, nous commencé à faire des lañ doon avons amuñu espace Nous avons ba nga peut-être que nous avons am espace dédié à la danse tijji def miroir gi def ay sono def est-ce que tu vois ak association française roots roots and feeling qui a fait des fêtes de après nous avons une continuité après nous, ñu projet Nous on est partenaire dans ce projet donc on doit faire des formations de formateurs donc moi pour former les formateurs ñuy mën di et euh, ainsi de suite donc il y a eu 2015 2016. D'accord. la responsabilité de l'État ou de beaucoup de partenaires pour vraiment me soutenir euh, juste pour clore l'émission, parce qu'on est au terme de l'émission. Ah, euh, Papis. la responsabilité de l'État, est ce que par exemple partenaires et gars yi ñenn ci war pour yow. bon ñëpp si war a jàpp Ils ah. mhm. ñëpp si war a parce que déjà nous, nous suñu bopp ñoo pour créer ay affaires. Nous créer des événements yu toog après Nous mën a xam gars yi ñu pour pour souligner tamit comme gars li wax activité yaa ngi fi man tam maa ngi préparé benn baatal boo xam ne bëgg naa ko def chaque mois doon day am juste debout am break pour l'instant si projet yooyu laa à part projet clip clip bu mo bëgg amna ben clip bu ñuy préparer bo xamni clip bi day nekk 100 pour danse hip hop. parce que loolu gissaguñ ko Sénégal mais maa ngi travail actuellement maa ngi si son bi parce que son bi day nek son wu jëmbe tra 100% traditionnel que ça soit mi crump bi new style bi popping bi afro pop bi lépp si biir ñoom ñooy ñoom ñooy joxe kaw jëmme bi super ba paré créer ben chorégraphe bo xamni popper bi crumper bi kuy def euh, afro pop bi ñëpp si biir ñoom créer chorégraphie bob. bu ça fait que euh, danse ben branche la waaw bon pour finir pour finir mhm. bon maa ngi maa lay saluer D'accord, donc on va revenir là-dessus, on va revenir okay. pour clore. Maintenant, la responsabilité de l'État, Abdallah d'abord, Yo, en tant qu'un mm-hmm. jeune qui s'y donne, ok, euh, en fait, est-ce que l'affaire vitamine manque un peu de soutien quoi Ok, je dis à la Je veux pas ok, je veux Non, je veux pas ça. Ça manque, ça manque, ça manque. J'explique quelque chose quoi. Alors, mm-hmm. ça me tient au cœur parce que dañuy sant yàlla quoi parce que mm-hmm. loo gis rek ndànk-ndànk la lay dem dank dank ndànk-ndànk bañu am lu bëgg quoi parce que avant c'était tellement dur que état bi xol ñu sax mhm. mais y alhamdoulillah mhm. waxuma ñoo def lepp lu len war mhm. mais ñoo ngi ñuy euh, je remercie le ministre de la culture au passage parce que depuis sa nomination ñoo sentir au moins mo ngi def quelque chose pour la danse c'est vrai ça Non, c'est vrai, c'est pas man Apparemment, il est urbain, mais bon. Non, non, c'est juste. Ça vérifie, hein. faut que lu ko mais au moins tanena na ñu fi finissons. OK. Tané ñu fi té quoi. Ah, parce que nous fi c'est là <laughs> c'est un peu la culture urbaine qui les a fait dégager apparemment. <laughs> OK, mais maintenant, en de l'État, bon, c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire aussi hein. c'est bien hmm. d'avoir l'initiative privée. Mhm. Mais euh, l'État en fait quand même bon, on peut dire qu'il y a quand même un poste de conseiller euh, chargé des, cultures urbaines. Donc ça, c'est déjà euh, une façon de montrer qu'on est à l'écoute de la jeunesse. Euh, mais le manque d'infrastructures, vraiment. C'est vrai financièrement, on ne soutient pas ces oui, mais, infrastructures adaptées vraiment à Il y a quand même les sites du ministère de la Culture qui sont vraiment mis à disposition pour que justement ces événements-là se fassent. Les formations se tiennent. C'est le Centre culturel Blaise singor c'est la Maison de la Culture d'Outasek. Euh, donc il y a quand même aussi un effort de ce côté-là, même si bon, c'est-à-dire que les choses sont en train de se construire. Il y a des, intentions de mettre en place, de développer des programmes de formation qui sont aussi, euh, ça c'est très important d'avoir ça. L'infrastructure aussi va suivre, mais ça c'est aussi de gros moyens, donc il faut aller chercher les moyens pour pouvoir mettre ça en place. Donc bon, ça se construit, ça arrive, il faut avoir un peu de patience et puis entre-temps, continuer à travailler de la manière dont on fait jusque-là. Et puis les choses vont... Alors très rapidement, les, activités phares en fait qui vont venir, les événements phares qui, mhm. pour, pour l'année, pour en fait ce métier-là, dans hip-hop, c'est le premier... Le 1er mars, c'est la, la sélection de Dakar pour le Battle National. Ok. Et ça se passe aussi dans toutes les régions. Hein. les régions sont en train de s'organiser pour pouvoir participer. Ok, le deux. Le 2 mars, euh, c'est le Battle Phénomène de Big Girl Aida. Oh, ok. Alors, au mois d'avril Au mois d'avril, donc c'est du 2 au 5, c'est le Battle National. et cette année, il y a aussi un volet cramp dedans. Mhm. Ok. Euh, Alors, en mai, je pense qu'il y, y, aura il y a le, ça c'est le cipher, ça c'est la qualification pour aller au championnat du monde en solo. championnat du monde de danse hip hop. Voilà, il y aura aussi une qualification pour aller au championnat du monde en groupe, en crew. Mhm. Euh, il, y a, il y a la nuit de la danse qui se prépare. Euh, il y a pas mal d'événements qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs. D'accord, alors Viera, en dernier mot, vraiment, on est arrivé au terme de l'émission. Oui, euh, voilà, donc, euh, invité aussi pour le mouvement hip-hop bi. Ok. ce que pour hip hop yi, man damay invité mbalax nous ñuy def arts martiaux, nous ñuy def euh, culture nous yëpp ñu parce que hip hop bi du ñun kese la hip hop bi du clash nekkul méchant pas dara culture mbedd la tamit mais il faut ñu mélanger ko ak suñu culture bi nekk d'accord mais suñ ko mélangé tamit mooy boomerang bi ñu bëri dañ ne rang fii la jógee fële la dem fële la juddoo waat na keesef fa la yem mais bi mu ñibbisiwaatee lu mu doon est-ce que comprendre na waa li mu doon noonu mooy maanaam jéego yu ñuy waaj a defaat ci yeneen émission yeeg yooyu effectivement parce qu'en fait voilà quoi ça commence déjà en fait aujourd'hui on commence à inviter les danseurs hip-hop quoi petit à petit à travers les médias moi je pense que c'est à vous d'aller vers ces médias là pour en fait toujours d'une nouvelle respect en fait respect image de respectabilité en fait c'est très important pour tous les danseurs votre dernier mot Abdallah ok je te remercie mhm. et maa ngi dama kontaan parce que tey jii média bi suivre ñu nu ñu suivre danseurs suivre ñu nu ñu suivre hip hop bi donc suñu amee ay initiateurs yu mel ni yow ak ay télé yu LCS di jéem di ñu suivre loolu mettre la pour ñun quoi et ça nous permettra de de de de faire comprendre aux Sénégalais et aux diaspora ñun lan lañuy dund ci danse bi ak danse bi yan message lañ ci bëgg a lancer ak yan difficulté lañ am ak wax ci lépp quoi donc ñun ñoo ngi lancer appel ci média sénégalais yi ñu jàppale ñu ñëw ñun ñu expliquer leen ñun lan lañuy dund parce que tamit facteur la facteur de développement la parce que ça ça culture ku ko wax facteur de développement la te nous sommes partis de la culture sénégalaise. D'accord. donc nous ñu euh maa ngi nuyu sama famille maa ngi nuyu sama samay copains maa nuyu particulièrement sama manager Dukan parce que tey dit Abdallah fépp pour mu toll ginnaaw yàlla parce que on est plus du business bi lañ sekk quoi on est plus que des frères di di nuyu sama crew Punisher parce que lépp base bi foofu la ak sama compagnie cadeau, ak ñëpp ñoo xam ne ñoo Abdallah d'accord merci beaucoup euh, Papis euh, Papis le micro. comme gars yi wax nañ lépp donc wax nañ lépp damay rafetlu rek invitation bi. di la wax bonne continuation. te li sa liggéey rafet na quoi yàgg naa la suivre. damay remercier Gassira moom mu ñu permettre ñu dem ci réunion yi ak ministre bi bon gars yi xam naa ne ñu ci jàpp bëri mais dem nañ man tam dama foog ma nuyu ñi nekk foofu parce que vraiment ils m'ont accueilli et ils m'ont mis dans les très bonnes conditions franchement comme nous mel euh, art et culture urbaine ñu nekk foofu Kolda ñoom yéeli di nuyu euh, directrice centre culturel Kolda franchement jàpp nañ ci affaire pour nous réussir nous nuyu tamit euh, formation bu ma doon def fii Géejawaay Fou Malade ji hip hop ñoom tam vrai franchement accueillir nañ ma jeunes yi foofu tam jeunes yu déterminé xam naa ne batal national bi dina neex parce ku si nekk bëgg na si def dara quoi. d'accord ñoom ñëpp ànd nañ détermination boo xam te ne franchement ñu ngi liggéey quoi te gëm nañ dinañ ñëw. à tamit di nuyu sama jabar samay doom. di di di nuyu sama papa parce que franchement bu moom jàppale na ma si aar bi quoi. mu ñu dans le batiment xam na ne man tamit bëgg naa nekk euh, ci ginnaawam. mais franchement daf may jàppale bu ma bëggee dem mu ne ma am oto baa ngi taalal oto nga dem xamal gérer. moom jàppale na ma di big up sama yaay bi nekk France ak samay sœurs ñi nekk France di big samay frères yi nekk fii di big up ñëpp quoi ku ma lim damay jum bu ma fàttee ku ma fàtte na ma baal. maa nuyu ñëpp. maa ngi yu bëri yu D'accord, le micro. Ben, oui, on te remercie vraiment de nous avoir reçus aujourd'hui. Et puis moi, je voulais aussi remercier ces jeunes-là parce que je vois vraiment une nouvelle génération qui est en train vraiment de se mettre en place. Ils ont parcouru les régions. On a couvert 10 régions quand même hein, entre octobre 2013 et maintenant. Euh, on est allé à Kolda, comme l'a dit Papis. On est allé à Ziguinchor, à Sédiou, à Thiès. Euh, Viera était là à Dakar. On était à Kaolac. Bon, bref, euh, Tamba, etc. Donc on leur dit tous à ces jeunes-là de vraiment continuer à faire ce qu'ils font, que nous on est là aussi pour les accompagner. On espère que dans chaque région, chaque région devienne un, pôle quand même fort par rapport à tout ce qui se passe en hip-hop et en culture urbaine. Et que, bon, c'est la famille quoi. On est en train de développer une espèce de, famille de manière euh, vraiment... Euh, sans façon. C'est la solidarité, c'est de remercier aussi tous les centres culturels régionaux qui nous accueillent parce que ce sont des partenaires. Le ministère de la Culture est un partenaire. Bientôt, le ministère de la Jeunesse aussi va s'impliquer dans tout ce qui est formation, etc. Donc, vraiment, c'est deux créer cet esprit de solidarité-là, de partager ce qu'on a, de remercier surtout, oui, il y a les centres culturels régionaux, tous les directeurs, les directrices, il y a la Fondation Sonatel aussi qui nous soutient dans le programme de formation, l'Institut français depuis cette année, bon, c'est-à-dire que, et depuis quelques années aussi, mais vraiment, c'est ça le hip-hop, hein. c'est la famille, c'est having fun aussi, mais c'est aussi le travail et puis l'engagement, c'est l'entrepreneuriat, parce que ce sont ces jeunes-là, bon, ça crée des emplois, euh, ils parcourent le Sénégal, ils découvrent leur Sénégal, ils vont à l'extérieur aussi, ils se sont des ambassadeurs pour nous. Donc euh, on souhaiterait que la formation continue, la formation de qualité, qu'on ait les moyens de faire venir aussi ces personnes de l'extérieur qui sont des doubles champions du monde, qui sont des grands chorégraphes, qui, bref, qui est vraiment un brassage de tout ça, qui soit dynamique, que ça reste dynamique et vivant. En tout cas, merci. D'accord, donc merci beaucoup Gassira. Merci beaucoup à vous hein, d'être venu, Viera Abdallah Papis Gassira, d'être venu. Mention spéciale à la RCS d'avoir organisé pour la première fois un plateau qui a regroupé que des b-boys. Je m'excuse, je dois Et commence à réfléchir aussi à des projets structurants. Mhm. Parce que de dans la danse, dans le graffiti, dans, le rap, dans le streetwear, etc. etc. vraiment, parce qu'on veut contribuer mhm. à l'économie de ce pays. Mhm. On veut que notre pays se développe. Et effectivement, la danse est vecteur de développement. D'accord. Alors, mention spéciale à la LCS d'avoir organisé pour la première fois un plateau, euh, plateau de, euh, en fait, auquel euh, seulement les b-boys sont présents. Donc, merci beaucoup. quand on dit la LCS, c'est à travers, bien sûr, ces techniciens. Merci beaucoup à vous, Québec, pour donc, la réalisation et avoir filmé. Merci beaucoup à Pape Samba. Merci beaucoup à Tafason Bilerne. Merci beaucoup à l'autre Baifal. Donc, <laughs> Alors merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, donc d'avoir porté une attention particulière à cette émission-là. Demain, émission, émission génie. Donc, donc nous nous Donc, merci beaucoup à Mamita donc d'être venu. Merci beaucoup à Elage John. Merci beaucoup à Ndiaga. Ndiaga depuis Koloban. Donc, mon euh, Li. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission Parlons Jeunes. Bye m'a tant la lumière.